day am muy marqué vraiment li nga xamné moy mooy sport l'activité sportive ci école yi communément ñom habitude du ko wax UASU muy activité bo xamné depuis les inspecteurs gay mi ngi fii koy sentir vraiment diko rafetlu au nom donc des populations donc au nom donc de la commune et du maire di wax élèves yi vraiment l'idée dafa am solo ndax sport moo jiitu ndax day participer vraiment si li nga xam ne mooy santé élève bi wax nañ ko sànq balaa ngay am xel mu sell il faut nga am aussi wér-gu-yaram donc loolu am na solo donc ñuy gàttal rek avec vraiment l'autorité du préfet di wax ne vraiment di souhaiter à tout un chacun une très bonne marche une très bonne voilà di déclarer vraiment ouverte cette activité ñuy koy merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à M. Mamoudou Gueye, euh, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, qui a porté son choix sur ma personne et en relève pas de cette année-là. Et je pense que le compagnonnage sera beaucoup plus fructueux. Maintenant, je vais essayer de vous en sensibiliser un peu sur euh, l'activité physique. Vous savez que... Le préfet, messieurs les sous-préfets, monsieur le maire, chers de services, chers enseignants, directeurs, chers élèves, dans, comme euh, l'a si je suis très très satisfait par rapport à l'organisation de cette randonnée sport dans le édition. Et chaque année, avant de commencer les activités sportives, nous organisons cette randonnée pédestre qui transmet le lancement. C'est important le sport parce qu'on l'a dit, dans le cadre de la formation de l'élève, ce n'est pas seulement les apprentissages dans la salle de classe, mais c'est aussi les activités sportives. Donc il y a l'intellectuel, l'esprit qu'il faut former, mais aussi il faut former le physique pour pouvoir être un homme C'est pourquoi cette activité-là est organisée. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier tout le monde, sans exception, en commençant par l'autorité administrative, monsieur le préfet, qui ne ménage aucun effort. Et chaque fois que nous avons appelé, l'éducation appelée, il a été là présent avec nous pour nous accompagner. Monsieur le préfet, je vous dis que vous appréciez très fort, monsieur le préfet tous ceux qui sont vraiment mis sur cette euh, organisation-là pour que cela soit une réussite. En définitive, le comité, le comité nous voulais insister sur à plusieurs acteurs. Il y a les acteurs de l'éducation, il y a les acteurs de sport qui sont là, et il y a d'autres acteurs aussi qui nous apportent à ce niveau-là. Donc c'est l'occasion de dire merci à tout ce comité départemental-là. Merci aussi aux forces de défense et de sécurité. Nous avons été ouverts, cette activité ouverte par la police qui était avec nous, n'est-ce pas, la drogue de blessure au contact, et tous les ont été là pour accompagner. Parce que sans la sécurité, sans cette mobilisation-là, on ne peut pas réussir une telle activité. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous. Et je suis très très satisfait parce que l'année dernière, nous avions organisé cette activité. Nous avions organisé cette activité et l'IF de Google a été la seule IEF au niveau de la région de Capri à avoir organisé le sport scolaire et nous avons valu une participation au niveau national. Donc pour cela, je voudrais qu'on appuie tout le monde. L'année dernière, la première sortie de l'institut d'académie, lorsqu'il a été nommé, sortie officielle, c'est par ces grands transports scolaires. Pour dire que ce que nous de c'est très très très important. Dame l'a dit au moment de la randonnée, si toutes les autorités se mobilisent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. À la tête de préfet, et je me félicite de la présence de tous les sous-préfets qui ont laissé toutes les activités pour être là avec nous. Donc vraiment, merci encore une fois pour avoir été à, à nos côtés pour nous accompagner. c'était pour les imposer de l'encadrement. Mais si nous n'avions pas retenu le nombre, on aurait vu on n'aurait pas pu peut dans cette, dans là. Mais Dieu merci, l'essentiel c'était d'organiser, c'était une organisation sérieuse pour montrer le démarrage des activités sportives au niveau du département. Donc, chers élèves, ça, tout ce que nous organisons, c'est pour vous. Parce que nous, nous avons déjà fait notre travail. pour vous, pour pratiquer le sport, mais surtout le sport scolaire. Parce que cette année, encore une fois, la région de Café a été représentée au niveau national par le département de Tougil. Donc cela, c'est une fierté pour nous. Et récemment, la FIFA nous a envoyé des cadeaux. Beaucoup de ballons ont été envoyés ici. C'est parce que nous avons participé au sport scolaire. pour cela nous vous disons merci. Merci en dernière instance au Mouni Abdié Mamadou Diouf qui nous a accompagnés avec les chefs, les casquettes et tout ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là. En tout cas, je remercie tout le monde et souhaiter que l'année prochaine encore que nous soyons là pour organiser cette activité au nom du sport scolaire mais aussi au nom du développement des élèves qui sont très très très chers. C'est vous, c'est grâce à vous que nous sommes là. Je vous serai rassuré que nous serons là et vous pour vous accompagner. En tout cas, merci. merci à toutes les autorités qui nous accompagnent, qui nous conseillent, parce que le sport aussi son Donc merci à tout le monde et vraiment le club business qui est aussi présent, nous le remercions. encore. merci à tous ceux qui se sont déplacés et même ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer. Mais mention spéciale à la carrière, à nos centres de secours et d'incendie. Chaque fois les activités, nous terminons ici et le local est mis gratuitement à notre disposition.

je suis que j'ai dû oublier. La Croix-Rouge aussi qui est là, qui est aussi représentée par des éléments qui sont présents, mais aussi le président de la Croix départementale, en l'occurrence M. Momodien, qui est un des nôtres, qui est un enseignant, mais qui est aussi un élu local, le premier archivement de la commune de Google. Donc voilà, M. Dame, je vous remets de nouveau. C'était vous les remercier. Là, parce que, parce que nous sommes familiers, c'est pour ça que vous oublié de vous remercier. Merci encore une fois. Donc, on va donner la parole au représentant de l'exécutif, euh, monsieur le préfet. Mon équipe, il y a le premier membre de la boo xam ne kii dafa bokk ci ñun nous lu ñu xewlee day monsieur le préfet vous avez la parole. à la commune communale, monsieur l'inspecteur de l'éducation, messieurs les chefs de service départementaux, messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, chers invités, chers élèves, qui nous passe par l'IACI. Cela veut dire que l'IACI est aussi important que les activités pédagogiques. Je remercie tous les participants ici présents et tout particulièrement les forces de défense et de sécurité. Ils nous ont permis d'effectuer cette activité dans la sécurité. Je vous parle notamment du commissaire Wall et des éléments. aussi eh, di commandant bi si am des et vraiment